dire que moi, depuis sept ans, je suis vice-président de l'Assemblée nationale, le plus jeune vice-président de l'Assemblée nationale de l'histoire du Sénégal. Et aujourd'hui, euh, comme euh, on a l'habitude de le voir, on occupe aujourd'hui des responsabilités, demain, on peut en occuper d'autres. Donc ça n'enlève en rien mon engagement, ma combativité au sein de la coalition Benobo Euh, n'existe nulle part, mais pour ma part, euh, euh, comme beaucoup, euh, il y a eu quand même des cas où malheureusement, bon, euh, qui ont fait l'objet de, de, trucs, dans le choix, parce qu'on ne peut pas promouvoir des personnes quand même qui ne daignent même pas venir à l'Assemblée, et je le dis, je pèse mes mots, en lieu place d'autres personnes qui, ma foi, qui ont marqué cette Assemblée par leur compétences et leur, constance même dans la présence. Ça, je le dis et je parle au nom de mes collègues qui sont là. Mais le président, comme je l'ai dit bien, prendre de bonnes informations, mais des fois sur la base d'informations mensongères. Il y a les lobbies, aussi bien dans son entourage qu'au niveau même de l'Assemblée ici. Il faut oser dire les choses telles qu'elles sont. Il y a de petits groupes, de petits clans qui font que depuis 8 ans, c'est la même personne qui ne bouge pas. Et les nouveaux venus aussi, des fois, ne semblent pas rendre la chose facile. Donc moi, je crois que, euh, en tant que parlementaire, nous sommes des libéraux. Même les nouvelles commissions même qui ont été créées, prenons le cas de la commission des finances. Moi, je suis persuadé que le président n'a pas eu la bonne information. Parce que la bonne dame, euh, Matiba, vraiment une administratrice civile, vraiment qui a fait un travail extraordinaire. Même aujourd'hui, c'est elle qui a été déterminante, même dans le, rapport de la commission d'enquête parlementaire. Donc si aujourd'hui on élargit cette commission conjointe de la commission des finances, et qu'elle qui a été pratiquement à la base de tout, ben, qu'elle puisse remplacer pour une autre, bon, elle est dans une commission des lois que j'ai occupée. Mais en notre sens, et ça je l'ai dit, hein, ce n'est pas par ma voix, parce que moi j'ai dit tout c'est que les gens pensent tout bas. Donc moi je crois que euh, le président aurait gagné euh, dans le choix en prenant compte de ses interlocuteurs. Mais souvent, ceux qui parlent des interlocuteurs ne le sont pas. Euh, du moins, ils prêchent pour leur propre paroisse. Donc, nous sommes en train de voir et nous le suivrons comme nous le suivons pour ces commissions des finances. Il ne faut pas que les commissions soient des prétextes vraiment pour gérer des, des affaires personnelles et tout ça. Moi, j'ai toujours estimé qu'on devrait beaucoup s'inspirer des États-Unis d'Amérique en matière de traitement euh, du budget en particulier, euh, parce que, encore une fois, je vous le dis, le budget tel qu'il vient à l'Assemblée, il repart au gouvernement sans qu'une seule virgule n'y change. Ben, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que, ben voilà, euh, il y a des rencontres, le climat s'apaise

mooy opposition bi tamit lu mu defoon rek mu def ren rafetlu nan ko ndax umpale woon ne daaw dañ leen waxoon ne jigéen la ñu ne góor la ñuy joxe boo indi benn problème boo xam ne ci seen biir ñu xaajali ko mais ren na teg dañ ko jox nañ ko koo xam ne ku mat la muy Yaaman Albis boo xamante ne ni vraiment man ko neem Yaaman la ñu def huitième vice président mel ne opposition comme majorité ñëpp a tàccu li ko may na mooy yaram ak bëgg réew mi ak ak discipline am ak njàmbaaram.

vice président Diallo questeur yi renouveler leen leen parce que lu tax mooy lan mooy seen liggéey rafet na rafetlu nañ ko te ci ñu ngi déglu neen ñi ñoom lañ leen di gën a ñaax daal mooy gën a rek jegewaat député yi le président Aymérou Gningue alhamdulilah rabil alamina ku mat président la koo xamante ne aussi ñun woolu nañ ko su nga xam ne aussi boot na ñëpp koo xam ne tëjulul buntam kenn koo.